Aujourd'hui dans votre émission nous allons parler de l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Nous verrons comment les jeunes agriculteurs des Tilaberi s'y adaptent. Il est connu de tous plus de 80% de la population nigérienne vit de l'agriculture. Sur le site de CICR, on peut lire qu'au Niger, plus d'un million pasteurs sont victimes de l'impact direct du changement climatique. Abunda makiya nan shine lamarin sauye-sauyen yanayi abu ne wanda yake shafar manoma sosai a Nijar. Wannan ne yasa yau maudu'in shirin namu na mu haɗa fada zai karkata akan wannan matsalar. Me ake nufi da sauyin yanayi? Me dami dami sauyin yanayi ya kumsa? Wani irin cikas ababen da ya kunsa ke kawo matasa manoma? Waɗanne dabaru suke amfani da su wajen shawo kan matsalar? Sai kun biyo shirin namu e comme vous le savez à Mujan à la fada c'est 35 minutes d'échange de musique, de chronique et de rubrique. sauraron mu yau mun baje kolin fadar tamu ne a nan filin radio bani da ke nan garin tilaberi domin tattaunawa akan wannan jigon namu wato l'impact du changement climatique sur l'agriculture et comment les agriculteurs de tilaberi si adapt yau a cikin sharin namu muna tare da manyan baki da tijawa da matasa zan ba su dama kowane zai gabatar da kansu <coughs> Salut Farkia. Ayo Alferino Toula Rugara. Je m'appelle Boubou Karmourou. Je suis, j'ai un travail

barkanku da zuwa a cikin fadar tamu. Don albura aiki sintin daren, aran gai aran gote farmi gwai. E danga bar mai fudi muna ran du mune di sambu jiruwai jiruwai tundugu kan yan bisa. Kamar wani irin canje-canje kuka gani eske harono si kan harono si kan wala isa harono go zabu wa ifo bar mai fudi miyan naran di. <clears throat> Zair go jiri iye. Nan sintin ku goyir ba bai ban irga watin bai irga sohon bai. Watin kai da gandu son wono go fay zan watin kai dia aga tarkaka aga kokor son kai diya alwati yan gono ka starkaka alwati yan bobu gono kan asu kokor haya a ago doran dingo kan irgo gidiyara da mata aska da matkir gaba da man kaga hasarote e a wani hasarano ga bada wani hansiyan su hun zabano kan rairo talo kan irgo gidi na wato da mantiya dinno mm. za zabana ho zaban gine kan jin ko goro kai diya ga ka da matkir gaba kai diya ga ban da matkir gaba amma wallahi so hon wato fon aska da matkir gaba astarka ka ast ag ta banmu tale kirgo gidi yara o diya bene ah, asiri le changement climatique. Mm, quand on parle de changement climatique, à, quoi doit-on s'attendre à votre avis Tout ce qui se passe là, c'est la saison de pluie qui nous empêche trop L'eau là même maintenant qu'on regarde, c'est pas comme avant. Maintenant là, l'eau là, ça se retire beaucoup. L'eau du fleuve. L'eau du fleuve. Mhm. Maintenant la pluie aussi, quand on attendait la pluie, la pluie ne vient pas comme on veut. Mhm. Des fois, si ça vient là, c'est des dégâts seulement. Il mhm. peut tomber, inonder toutes les rizières. Donc vraiment, c'est un problème pour nous. Et vous, vous travaillez surtout dans les rizières Moi, j'ai commencé à travailler, ça me fait trois ans. Mhm. Je n'ai pas duré trop dedans parce que j'ai collaboré avec quelqu'un. On a fait trois saisons ensemble. et la vu que ça ne marche pas. Lui, il s'est retiré. Parce que l'engrais laquelle les gens parlent beaucoup là. Quand on fait, on fait les récoltes, ils voient que c'est pas ça. On a fait deux, troisième fois, et, dit bon, je vais continuer. On a essayé. Parce que l'engrais là, quand on l'amène là, c'était très très très cher. Et puis le maître cube aussi, l'eau là, parce qu'on me dit c'est la Nigélec, des fois il dit ce que les amène là, c'est trop. Maintenant, il met ça sur les agriculteurs. Tu travailles, on te fait, tu as une parcelle de 30 mètres, on te calcule 1700 1775 francs multiplié par 30. quand tu fais tes calculs là, maintenant les récoltes là, tu regardes, tu vois que tu n'as rien eu. Parce que si tu calcules, si tu, vas calculer même, tu ne même pas travailler. Vraiment, ça cause beaucoup de problèmes. Maintenant, ce qu'on veut, vraiment, les gens de coopérative là, ils n'ont qu'à voir ce qu'ils peuvent faire pour nous. Parce qu'actuellement, l'engrais là, ça coûte 27 500 francs un sac d'engrais. Quand tu le prends, tu prends deux sacs deux fois, tu le mets même, ça suffit même pas. Tu n'as pas l'argent pour payer. Tu es obligé de laisser ça comme ça. irgodi kaidiya irgodi mo kondiro ruga ruga mura so shin zama ta yira zama wato din kan irsabaka ruga angara zambar hinka da zongu iye hunkuna angare sa ku zambar gu da zongu hinza to ne har kira kaidiya wato din kaidiya gan so kaidiya difference fote gamera mais irsibe irkoyta la not bey ko kanno odinti mm. so da haro ka agbore hasaro daman ka agir hasaro me a hasara kayan ala a hasara goba goba da si kayan mm. zama ala da ka ala agir hasaro huwai go kan nonge jere go tun wode mo kul harono ir sigdu amo matakan irgaba agite baba baba set semen aska loch kaka mo agit dorandi agite baba jirbi i ne cergama ir sidi ay ba hande agite irsi sidi hari da kamo la agit dorandi amma iru hay kusu kul ir sigdu to rugaw rugaw deno go gir kulla zama de bene aste ganda mate to gando sigite ben sigite irmeda nungo kirgin heda gatti dabaro kango irka bora kanti rugga ma benawo dabaro irko ka bora nago meru gawno kango iri wone dabarora go kirg bayr di imdurse solution ki sambirsi go kango irka bora amma haya kan sir ka bora go irsinda sanno go irko tala tala taala adabarora nago mais qui Bonsoir Inous Abdoulaye qui vient de nous rejoindre. Donc nous parlons du changement climatique dans notre fada d'aujourd'hui et de l'impact qu'a le changement climatique sur euh, l'agriculture ici à Tilabiri. Qu'est-ce qu'on doit comprendre selon vous lorsqu'on évoque euh, la question du changement climatique Quelles sont les conséquences que ça a sur vos champs Que ce soit euh, une mauvaise saison pluvieuse ou que ce soit les inondations et eh, Bonsoir tout d'abord euh, et je vous remercie de nous donner l'occasion de, s'exprimer. Tout d'abord, pour parler de changement climatique, nous avons de fortes pluies qui nous dérangent beaucoup. Mhm. Actuellement, et quand on parle de nous, en tant que cultivateurs, nous, le changement climatique, ça se voit sur la pluviométrie. Il y aura beaucoup de pluie qui va déranger eh, nos champs, qui va inonder nos champs, qui va inonder les routes qui nous amènent aux champs, qui va des fois aussi perturber eh, les récoltes. Des fois, c'est au moment des récoltes qu'il y aura beaucoup de pluie et ça va nous empêcher de, eh, de faire le récoltes. Donc, euh, pour parler du changement climatique, euh, je ne peux dire que c'est la pluie d'abord, la pluie qui dérange. Surtout quand, je parle de récolte, je parle de, aussi et les rizicultures. nous c'est les riziculture qui concernent beaucoup. les rizières que vous voilà. travaillez. Har yanzu dai eh, waɗanda suka ba mu ra'ayinsu akan wannan lamarin na canje-canje na yanayi sun kawo zancen damana da yanda ruwa yake yawa ko kuma yayi kaɗan da rashin kyakkyawan taki wanda suke amfani da shi a cikin gonakansu. Kafin mu ci gaba da gabatar muku da shirin namu bar mu saurari La Rubrique Rose présentée par les girls du studio Kalongo. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, c'est Fanta. Avec moi ce soir, nous allons découvrir les secrets des produits exfoliants naturels dans les astuces beauté. Moi, c'est Ruki et avec moi aujourd'hui, nous verrons comment ce que nous consommons impacte notre haleine et quels aliments favorisent d'avoir une haleine fraîche. Et dans l'espace cuisine de Bibi, nous parlerons du bicarbonate de sodium, cette poudre blanche qui fait des merveilles en cuisine. Top, c'est parti! Fanta, un astuce tu parlais d'exfoliation tout à l'heure, c'est ça Oui, Rabbi. Le gommage doit être mécanique en choisissant des exfoliants très doux avec des grains très fins pour ne pas agresser la peau. Pour le corps, l'exfoliation est déconseillée en cas d'eczéma ou de psoriasis dans le cas contraire, on pourra gommer mécaniquement en utilisant des exfoliants avec des grains moins fins. En ce qui concerne la fréquence des exfoliations, pour le visage, au maximum une à deux fois par semaine sur les peaux grasses, environ une fois par semaine pour les peaux normales, une à deux fois par mois sur les peaux sèches ou sensibles ou matures. Pour le corps, faites votre gommage au gré des besoins ou envie. Maintenant, on va voir comment effectuer une exfoliation. Elle s'effectue donc après le démaquillage, la douche ou le bain. Appliquez l'exfoliant sur la peau propre et humide, effectuer des mouvements circulaires et doux pour le corps, très doux sur le visage, puis rincer abondamment. Appliquer une huile nourrissante, abricot, argan, jojoba ou beurre de karité. Merci Fanta. <laughs> Moi perso, j'utilise souvent le beurre de karité et le sucre et c'est incroyable. Tu mets un peu sur le visage et sur tout le corps, c'est incroyable le résultat que ça donne. On peut remplacer le beurre de karité par huile d'olive. par l'huile ah. d'olive, oui, ça marche. Ok, on passe à toi à présent. Salut, salut les filles, bienvenue dans cet espace santé et bien-être qui est consacré aujourd'hui aux aliments qui impactent notre haleine et ce qu'il faut faire plutôt pour garder l'haleine fraîche. Je vous laisse apprécier les propos de notre spécialiste en nutrition, Dr Abdrazak Bell. Il y a des aliments qui ont un effet négatif euh, sur la laine, les aliments comme l'ail et l'oignon, qui ont tendance à changer la euh, maintenant, autres éléments qui ont un effet sur la santé buccale, c'est les produits sucrés. Parce qu'il y a des micro-organismes qui se trouvent au niveau de la bouche, ont besoin de produits sucrés pour se développer. Donc, euh, plus on consomme des produits sucrés, plus on va donner euh, la latitude aux contaminants, aux micro-organismes qui se trouvent au niveau de la bouche de pouvoir proliférer et cette prolifération-là peut être également à la base de, cette mauvaise haleine. On peut également euh, améliorer cela il y a les fruits et légumes et surtout avoir une bonne hydratation. Lorsque on a une bonne hydratation de la bouche euh, en consommant suffisamment d'eau, donc cela peut avoir un effet favorable. Alors moi, c'est que je voudrais... <laughs> Chacun a son problème en fait. <laughs> Ouais. Panda. Mais alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est surtout comment se débarrasser de la laine de l'oignon. Et de l'ail. Parce que moi, j'aime bien l'oignon cru dans certains aliments, mais je crains à certains moments de, consommer ça. Euh, prochainement, on va chercher l'astuce là. Ben comment consommer. Euh, moi, je sais que quand tu coupes l'oignon et que tu mets de la tomate sur ta main, euh, après, tu n'as plus d'odeur. Peut-être que ça marche dans la bouche aussi. <laughs> L'ail aussi, pour les bienfaits, tu peux avaler la gousse on va se dire au revoir avec Hakinso de Rekia Moussa pour clôturer cette rubrique. Bye bye tout le monde! C'était la rubric rose du studio Kalangu masu sauraron bar mu ci gabatar muku da shirin namu na yau inda maudu'in namu shine l'impact du changement climatique sur l'agriculture et comment les agriculteurs de Tilaberi s'y adaptent. Kamar yadda na faɗa yau mun da zango ne a filin radio bani inda muke tattaunawa akan canje-canjen yanayi tare da manyan bakinmu na wannan fadar wato matasa da kuma dattijawa manoma na garin Tilaberi. Ifini ne bayan duka abin da abokananku suka faɗa wani irin dabaru ne kuke amfani da su domin eh, shawo kan wannan matsalar. Dabarar barad oh nan kuka haroga huro kur baraga barad yandan kangana haro digga yandan kangana haro musi karu kanga haro ko sore da yo o da baro ke samu de ti haro irgba haro fonde irgi ka durugano irgba haro fonde mi fansi do kwarano haro fonde imi si bloke ima haro fonde imi fansi kangana haro mulu fonde nyaka doy si berera to hon kun masala ga hay fonde bum boni niwi hay fonde bum bonu bore niwi bore mm. ku kin har fonde ra haro su koy da haro ka nu wonu winu anan ga taru ya mun da kai da haro ka handin hane har fonde gon kan bore ka kan koy aska bur kudu amma hun mo ga haro de rute am ko aran farera o mm. amma hun kuna har fonde ibu reino har fonde ibu rugeino har fonde ibu isara sajo taso a huru isara isa bu gase zahari kaini fuba zahari kan kulu haro zigi agzigi nongo kulu da da. ya dinga yake ta labono go oh oh helo kan yi koyon bankata oh mm. sai ke je argumenté eh, en tout cas dans les dans les rizières il y a pas grand chose à, à faire Quand l'eau vient, ça rentre dans les riz On ne peut rien, on ne fait qu'observer. On ne fait Chaque fois, il y aura des inondations. Et les irisiers, c'est lui qui, a le champ inondé, On ne peut qu'observer. Mhm. Il passe par la coopérative, il, informe les, dirigeants, mais rien. Il n'y a pas de changement. Chaque fois, il y a des gens, en cas, chaque saison, il y a des gens qui sont inondés. mais qui n'ont pas de solution à prendre. Et chaque fois, ils, ils, ils ne font que euh, perdre, faire des pertes. Aka ibem ibem chimo kweni. Zanga jiri kulkanti ugawara fari yangu na kang harogo yingwa. Ka harogo yingwa mu. Watu kuli ginge hino sambi mkwenda cooperative odo mkwenda mairie odo mkwenda nonga kulki gimi kenge kwenda. Ama solution kusino kaiti. Kade haromi ngwa ima te perte ime kagorare yes ime du même chose parce que digge kayni kiti asinga har bob gayi hinono gi sambu ngwana ngwana hay wo ingor ar mai kulu mhm. fonda fan sambori kangana da haruka bisa me talki bunawo zanga cultivateur bunawo hay kunu sinti mhm. harura ka agin wadeno ka de perto kan iksamu da isa désensablement voilà dam da harogo biso akwai sara isa wa bisan da deno mhm. me haro mbono rugara na sig bisa rugara gote bu do ko kul ka de cooperative ka de hino mu kai ke singi purka am dugti mono siti tontono ah, ah, tonton deno erg eh, ba cooperative vraiment am bore ga zama hun go koru ga fonde kangono le route la même fonde nim fonda gan c'est un problème ba anum ko cité iba fo no reta mais rien nange mine ji la de kan coopérative noro ki gogudu irin fonda hansi o mu fonda hansirse isinga isati borai di borai tun fonda hande ko ton no mon palado kadde gurzgay de mota go che fonse bahin ko kadde mota gare hal badda nam dene chewa gakka donc asigite sig borai gaxne hay kul et puis ba semanso ki borai non ça ne suffit pas asig wasa semanso de ki borai no kan borai dugu ko récolter mm. fon ni sebe mat kan igte hatera im kan din no oran im katimne

dikat seman so bore sido amat ki ba wat kul insuffisance no gon kul kan kanu da aste mat kan bore bara insuffisance den vraiment ir wo dir gudu wodin gon gidi hankan gi hinigite bore se vraiment fonde au mos fonde de har fonde kan hare nangoy kan hare gibisa e imus e im fonde hanse kan gana hare da haroka as huru gara parce que di har kan da har ber kan sandan gidi pala ne ma tilam hanin sola han ka nig mil bani man beg modan no ate isen si bay ba han mo hasar no as ganyi mo nig cooperative nig ban dole parce que garo sambu isin e gay din mana ban ba waran kuno sara igne gin farautan ka iga tan gamu eh, kun kun ban ko kun kan ko farodi inta inta asen won ko ni donc vraiment irga ba onu da harmo gun gidi me parce que ni kam man goyi ni faroi man gun kan hasaro duwa ine nim kaga bana manon dugu bana kamar yadda kuka sani wa sauraron fadar ta muna yi ne muna shakatawa aujourd'hui on va souffler en musique avec euh, le son de Safiat don shi ya samurin rinka kulawa in muka gina Chine, l'impact du changement climatique sur l'agriculture et comment les agriculteurs de Tilaberi s'y adaptent. Kamar yadda na faɗa tun farko yau muna filin Radio Bani inda muke tattaunawa akan shi gwanan tare da manyan baƙi da tijawa da matasa manoma na jihar Tilaberi. Yanzu bari mu ci gaba da tambayoyinmu. Albora na ji kuna zancen gwamnati. Ina sanne kulkan bon irgo salan. Indi kyara sanne kan goyar gamayar haram ko cooperative jin boredo. irsin ker kutte kadde dirna kadde gwamnatin dirga kadde gwamnatin kabala to gwamnati menene man kuke so su yi muku o kan ma yunsa abdusalam kan ane fonde kunno bu mhm. irga ba gwamnati mai ruga ta yandirse wato kin rugo wote za ta gi taraga da ba mimisi zuno kan wal har millimeter zangu hinka da kan hada ko inner de tan haro kulu fatta akulu do isera fonde go bori lor fonde go bori fonde kanga hare kaka den isibere ra ikunno go normal hun kun fonde din kunno bu fonde din hali ne ga manan du cooperative hinne mate wol indi cara kosongo walla haste gomnantin kabada kande du gomnanta a cecir se projet hannu wol go bumbo won gabo am ka guru ga hansir sidani te abori fonde te hero kutte burkul palano harisuma ni pala wakan bu bana ci so anen bani pala da harinan ga matkul kanu ga bana ya dinga da harma na ngani palate ni ma ban yango ai kun naskani ya dinga warum ke kirse fondo gwamnatam ka kiro ruga ta gendirsi ima hansir sambo har fondo mu fatta yaro kulma mu fatta albara da fatan ku ku ya isa kun wanda ya kamata bubakar ku akwai abin da za ku kara ku wani kira ne gare ku ga magabata da proje-proje domin ci gaban noman wala irga ba proje mirga aksine proje gonda gaksine ki zamiri wa nongo fon irga ma igine nongo projet ni engrais yang no bora ise ir wo tilberi wo mandia dala mo ngil kandi ne ru gugoy wal far go ngil ba kusub tilberi amma wallahi mandia kadde no fa nir ma imne projet no kande gag sine engrais yang mhm. engrais no matbaru go matbal ini fay se ambara kan gon imi sambi se imi muradete ke bor kan te donc hal ko ala projet gono kan go do hare vraiment ba surtout l'engrais la parce que kuno tilberu hay kusub al fari wo kusadul kal parce que engrais no chadande baya kul ali na engrais calculo tan ne récolte hajin calcul tense wallahi zanu non bino gasara et puis gno dele no kandiga ga banbu dinu mana bana pala palata niga mhm. za de la is ba za arfu da kanse za de la goma ni gicara sakan de la goma lor ma ni kaga bana ati amante tibatu de bure hanne ga ba nimu yegin da. donc vraiment halir gudu no da har ga aksine engrais ma diminuer wala projet fo mu mfambirse au moins be fonde kingi cidin. kan go palay hasar hali du fonda din hansi bore se kangana haro se bore inonde aspale hasara wallahi irga bara to mo am kabdam bore se vraiment zam ngi hinno gin kabdam ru gawe mi hansi coopérative bore digi salan kala bore farga bore digi salan ba fonda inne ba di sin ga kulti ba la tritno gi sam o de fond gus sey dab dab kangana de tipe uh, accident as no asti ba sal nimo amma za uh, hay wato za kolto to za de da to to ki ci dat limit igi charan sikaram kaga Dara mo ban mo igin palatanga wallahi ba am te zonguno cendi si bakar sefa siguna han kan gono ngew digmo da bdo ni ma go bor fokon gonde gabi ngano kagin pala ha ngiseni ko gano no am cendi ko korban daru gawo bore kan gonde hinade no wada talk buna o wakan boro ci sonda ne ngene ngai pala ne parce que tu es obligé ne kar kar ma wat fo angrade bumbo ki gano ni kan go ko goy gitanuru ce fon tu obligé num koy job job ru garabo kita angrade ni no angrade sakinka afa da ne ganere ni sadan da palara

wat kulmo irgogma imne gomnato akan her filani yacine kwar filanse amma ire kirtilberi irman be kidiya basorfo moto pompiyan jadan gojineyan mhm. kul irgogdi irgogdi telera irgogdi kwar filan filaneyan irgogdi moto pompiyan go jardin gojineyan kul go ise me iro ki hal kaso irmandiya to mhm. idin gonono debureno amma lai irgo ba gaksine cimcimi gondiro mhm. ba rugaw bumbora problem hinkana kandirga ruga bumbo wono ne kwara wono ne iro iri kwara o asman kan rugga zaharo hur rugara gana gur kwarara sonda nor koyne keno na nungi de ini china isi ka control terse ka gun wene fonde no har nyanga ino kan one dani china hasaro na te hasaro na kan kwara ga oyin kul irsi gudwe kasiro sondir me chino woga iro ir kwara mokala anirgo da har kan ba hojine da yanon dusani misin fata talma kan har go nongora gudron binen sakne ne gudron ceci ba violo bon fa popol moto mhm. ir sinde gudron ir sinde hay ko ir ko ara hasar de so nan kir tun ko nir go ceci nan kir ko bonir go ceci her kulman kan dirga wone ka ruga buyango har isig fata hay ku kanka a huru gara si koy amiyak banda banda karu gara mhm. ai wo kango bi fo da haro kan kankan man du ba amanto ba millimeter waranza wal waranka ay won huwo baso a fo gono ay dare kulu ni fere ni pak charbo haro gira pam hu ka kan go ira baso on yaɗi nga wone o walla gomnato mir fa haɗɗemantak bakke irmi yakka kwarno gi ya bo hino da wonci irgir fonde sambir mbiɗ gom gombe sambir ko ya ka lallay ceewo kan irga tonandi gomnantoga irga ngware gomnantoga ama kabdan irse ama ceci irse dangubu mbosi hinka kabdan irse ama irse projet ga im ka kirfaba im ka kirfaba irgodi sande bobe labora sanda yina dai esenso nsidua irgonde boren kan godan tarai kaman turu gara ga moto pompe ni ga hanganin da esensi ni kak kirki liter fo hinki hinza im ko kan ga goite esenso isidua manno agte so bor bobo ngono kan haran iman hinka batilam tarai her kan bodan ruga tarai tarai kan bore gitilam kan boren no dini dan didan igin kedu du saku yan kan te saku waran za saku boy taki kan haran imani dan esenso sandase zama so didin se ba le de zarano iga igan di nan ka haran in go koida alfukaru kan yini di ko kane ga im koida kom sera bar kan hambur soje <laughs> kini ya im ka ko ka kan di soje eske mana ko hmm. asko no kul dole a gor ka moy hay ka gon ya nga yina nga ba bore ka gor ka cer cer nga wal matim dogonen di borese im dogonandi e sanso do har kambo im dogonandi borese bore kanga koyko goyi im dogonandi se ima koyko goyi sumaila ifo tontoni naran kande wo kan iti bon tontono de kan ay be tonton gomnato do herege deti on kuni ro hirga ba kaksine gomnato mo kabda ngirse zama angara in kitisse dogone angara here zama harka ka hun kuna rugai imi jendirse herkul hala zen asinda gabe dole ka kadin hero tajenti din jendi wati irge du irge ka du kaina kangirnga mhm. ruga ruga zen digge bugu fonde bu cooperative sinda gabe kanga hinka ruga goy mat kanga himan mhm. dole ka gwamnati mu kabdan girse im kati se projet wal gaibun bai im ceci yadin da dabar dabar da ne im hon zamanti nan ga hinka awasa me im zo girga kaina o im zo girga kaina o hinir ceci zo gwamnati ga o im zo girga kaina inusa um euh, quel est votre cri de cœur à l'endroit du gouvernement pour um, faire face à ce problème notre cri du cœur c'est comme tout le monde l'avait dit c'est l'engrais vous savez maintenant avec uh, le problème uh, avec la guerre de l'Ukraine là les commerçants on fait de ça euh, une guerre de politique. L'engrais est devenu cher. Pour avoir euh, un sac d'engrais, il faut dépenser 30 000 francs. Et dans un champ où on met trois sacs, imaginez, donc il vous, faut 90 000 pour un seul champ. Donc, euh, notre cri de cœur, c'est d'appeler l'État, même si l'engrais est cher, de payer l'engrais là et de le, de le subventionner. Voilà, pour que le paysan puisse le payer à des coûts raisonnables. Et aussi, Aujourd'hui, il y a tellement de modernisation sur les champs. Il y a des tracteurs pour, faire, euh, pour, pour semer. Il y, a des, il y a des semis aussi qui ne dépassent pas trois mois. Ils vont, on peut récolter. Tout ça là, l'État devrait penser à ça, de nous donner des semis qui ne, qui ne dépassent pas trois mois. Vous voyez, tout ça, là, ça existe dans d'autres pays. Mhm. Des tracteurs qui nous permettent de faciliter le travail. Il y a beaucoup de choses que l'État devrait faire. L'État a tellement négligé maintenant les paysans de telle sorte que le paysan, il ne fait que travailler, mais il ne gagne rien. Il s'attend toujours à ce que l'État fasse quelque chose. Il y a des motopompes, on voit à la télé des motopompes distribuées partout, mais Tilaberi, en tout cas, rien. L'essence, la région de Tilaberi, c'est une région d'agriculture. L'essence est bloquée. Tu ne peux pas prendre plus de 2 litres dans un bidon il faut prendre votre motopompe à tête, sur la tête, amener ça au, au niveau de la station pour prendre quelques litres. Tout ça, c'est des problèmes qui, ça, c'est lié à la sécurité. C'est lié à, à, la sécurité. Mm. Et c'est un problème. C'est un problème. L'État devrait vraiment réfléchir sur ça et penser que ces, ces gens-là, c'est à travers l'agriculture qu'ils mangent. C'est à travers l'agriculture qu'ils font tout. Donc, tout ça, c'est des mesures qu'ils ont prises sans réfléchir, sans penser aux, aux paysans. Donc, nous demandons à l'État de voir euh, l'affaire du carburant, de voir aussi la charité de, de l'engrais. En même temps, sans oublier euh, euh, l'électricité, parce que c'est l'électricité qui, fait en sorte que l'eau devient chère, l'eau qui arrose euh, nos, champs. Voilà, ça devient cher. Des fois, un champ de 0,17 hectares, on te dit de payer 30 000 francs. Tout ça là, l'État devrait voir. Il y a des gens qui ont besoin que leur champ soit arrangé, que l'engrais soit amené. Ils n'ont pas demandé de, qu'on le donne, mais fait en sorte que l'engrais soit accessible, que ça soit moins cher pour ces paysans. Pour ces paysans. Parce que Tlaberi, Tlaberi c'est une zone d'agriculture. Donc euh, vraiment, nous demandons à ce que l'État tourne son visage vers Tlaberi mm -hmm. et de nous aider. Arangonda et Kangu Tonton. Bon, il y salo bore na kul salan kaban. Il kuno se sanlo banandi kade gomlanti. Kul kando gomlanti deno. a borin gano a hasaran gano hala ne ni mana dole na gana da ne ni mate ni mate her kul kan gwamnati da ndirim sin e da ndikara ndikara man tay kulu zur ko koy e meri kici zur ko e cooperative kici zur ko ne kudu gwamnati ba wai ne kul gaban amma esanso angara rugge fonde buyan akul gwamnati wallahi da kai ba kun no gaban so honda boro sanno kan ashi ne ira irgon ni nyak fo sinen kama turu gobor yono kan isa ni gogo isa za a yoru kalam to irwon tilber departement mi yoga karma inde karma frontière kolo ame ame essence talindir gogo essence ni sta ka de essence gole ko ka ini didi ansi kadin ko ta tira her kul kadim ko ta tira hinodo im tampon kan si mi yakini mi yakini mi yakini mi yakini ngano ndu kakade din mana bun kun bor zongu goni irgo ngai wera kan si kan ngai no ngai da in essence yangai edinga matono fono fono gen ka wodi ngenje kal gomnanti donc comme quoi Avant de clôturer, nous allons d'abord accueillir Olivier et sa chronique du jour. Amis auditrices et auditeurs, bonsoir. C'est toujours un pur bonheur pour moi de vous retrouver pour de nouvelles chroniques. Pour ce samedi, nous allons sur les réseaux sociaux, notre terrain de jeu favori. Sur les réseaux sociaux, certains internautes animés de mauvaise foi arrivent à distiller de la mauvaise humeur. C'est par exemple ceux et celles qui se moquent du physique des autres sur les réseaux sociaux. Les gens en forme en sont le plus souvent victimes. Oui, cela s'appelle de la grossophobie. Vous voyez déjà de quoi je parle. Eh bien, si personne ne peut vous regarder en face dans la vraie vie et vous traiter de gros ou de mince, sur les réseaux sociaux, ils en sont capables chers amis auditrices et auditeurs, la grossophobie et la jalousie frontale, personne ne doit la subir, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans nos vies quotidiennes. Donc, vivez pleinement votre vie et quand quelqu'un vous embête, utilisez ces astuces. D'abord, supprimez ce qui vous embête, c'est-à-dire si soit c'est un ami, une page que vous aimez ou tout simplement un commentaire désobligeant, eh bien, supprimez. Alors, si vous recevez un commentaire désobligeant sur une vidéo une photo que vous postez, eh bien, supprimez le commentaire ou masquez-le. Aujourd'hui, ces options que les différentes plateformes de réseaux sociaux nous offrent nous permettent de laisser quoi nous influencer et surtout quoi nous impacter. Troisième et dernière astuce, si vous vous sentez bien dans votre peau, personne ne doit vous faire croire le contraire. Prenez soin de vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Et comme toujours, paix, lumière Amour sur vous. One big love. Bye bye. Merci Oli et oui les amis, tout ça la fada c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir suivi. Notre thème d'aujourd'hui, l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Wato mun ji yanda baiki muna na wannan fadar ta yau suka kawo mana koke-koken su akan yanda sauyin yanayi ke shafar su wato suna samun matsalar eh, inondation, matsalar essence, eh, matsalar angare, matsaloli dai daban-daban waɗanda suka fada a cikin fadar ta mu ta yau. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du studio Kalangu pour la suite YouTube program.